le forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être à l'écoute du forum du studio Kalangou. Au micro, vous avez Michel Deji. Les programmes du studio Kalangou sont diffusés à Niamey sur Alternative FM 99.4 MHz et Enfani FM 100 MHz. Vous pouvez aussi nous suivre à travers le réseau des radios partenaires dans l'ensemble des chefs-lieux des régions. Nous sommes aussi présents a magaria mainosoroa tamaske bouza dolbel et notre page facebook studio kalangu notre site internet www.studiokalangu.org notre forum de ce jour aborde une question d'actualité et d'utilité publique. Il s'agit de l'accaparement des terres, l'accaparement des terres qui signifie l'acquisition controversée des grandes étendues de terres agricoles. Au Niger, le phénomène est très développé. On parle d'accaparement de terres, mais surtout de privatisation des pâturages, notamment à travers l'érection des ranches privées en zone pastorale et agricole. C'est devenu une préoccupation à tel enseigne qu'en 2015, on se rappelle, le gouvernement a mis en place un comité ad hoc chargé d'instruire et de faire des propositions au gouvernement sur la question de l'accaparement des terres et la privatisation des pâturages. On ne connaît pas encore les résultats du travail de ce comité, mais parallèlement, certains acteurs, notamment les organisations des producteurs, d'éleveurs, les ONG et autres organisations de la société civile, ont entrepris des campagnes de sensibilisation du grand public sur l'ampleur du phénomène et de ses conséquences. On peut citer la, campagne Sauvant les terres pastorales au Niger. C'est pour dénoncer les grignotages des champs, les ventes ou appropriations illégales, mais aussi l'impact des industries extractives. Ils ont profité pour exiger du gouvernement l'inventaire, le classement et le contrôle rigoureux et systématique de la mise en valeur des terres pastorales la révision des titres fonciers de plus de, 30 hectares octroyés depuis 2000 ou encore l'évaluation régulière de l'impact environnemental et social des ranches et des industries extractives. Le problème reste jusque-là encore entier. Qu'est-ce que l'accaparement des terres agricoles et pastorales Quelle est l'ampleur du phénomène au Niger et quelles sont les zones les plus exposées qui accapare les terres de qui Qu'est-ce qui aggrave les cas d'accaparement Quelle est l'attitude de l'État Quel est le niveau de mobilisation des organisations des producteurs et d'éleveurs Peut-on mettre fin au phénomène et à quelles conditions Autant de questions et bien d'autres qui méritent des réponses. Pour répondre à ces questions, le forum du studio Kalangou a invité des personnes bien indiquées il s'agit tout d'abord de Tigani Haruna. Il est membre du secrétariat permanent du Code rural. Monsieur Tigani, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes aussi avec euh, Alou Aboubouker, qui est le secrétaire permanent du collectif des associations pastorales du Niger, Kapan. Monsieur Tigani, bonsoir. Bonsoir. Nous avons également Moro Amadou, il est communicateur au niveau de l'Association pour la redynamisation de l'élevage au Niger, à Rennes. Il nous a dit qu'il est en route et donc euh, il va prendre le fil de ce forum. Voilà, et nous aurons en ligne M. Al-Kabou Sassadek, euh, qui est dans la localité de Kadbeji, c'est dans la région de Maradi Nord euh, d'Akoro. Nous allons commencer avec euh, le représentant du Code rural, dont la structure constitue un instrument juridique et institutionnel en la matière. M. Tigani qu'est-ce qu'on peut qualifier ou appeler accaparement de terre oui, bien, merci beaucoup. Euh, tout d'abord, je remercie le studio Kalangou pour nous avoir donné l'opportunité, en tout cas, de débattre sur un thème aussi important que l'accaparement des terres. C'est nous qui vous remercions. Alors, euh, avant de parler de l'accaparement, en tout cas, je m'en vais d'abord présenter la structure en vraiment 20 secondes. Le Code rural, c'est vraiment un dispositif juridique et institutionnel, en tout cas, qui a été élaboré par l'État pour pouvoir prévenir les conflits fonciers et sécuriser les opérateurs ruraux à travers, comme je l'ai dit, un dispositif juridique qui parle, en tout cas, c'est l'ensemble des tests qui essayent de euh, organiser la gestion des ressources naturelles et foncières. Nous avons aussi un dispositif institutionnel du niveau national jusqu'au niveau village. Ce dispositif-là est composé des acteurs pour, en tout cas, <clears throat> pour aider en tout cas euh, euh, à vulgariser les textes et à sécuriser les opérateurs ruraux. Mhm. Alors, parlons d'accaparement des terres. C'est vraiment un, phénomène euh, mondial. C'est un phénomène à l'instar des autres pays, en tout cas qui frappe le Niger. Alors, ce phénomène d'accaparement, en tout cas, tant sur le, domaine agricole que pastoral, en tout cas, préoccupe en tout cas l'État. Ainsi, des investisseurs étrangers comme des investisseurs nationaux essayent en tout cas à travers des, des voies euh, non autorisées, à travers en tout cas une violation des textes pour accaparer les terres et mettre en tout cas les producteurs dans, un, dans une insécurité euh, généralisée. Voilà en tout cas ce que je peux dire sur l'accaparement des terres et les conséquences sont énormes en tout cas pour les petits producteurs. Nous venons à vous, Monsieur le secrétaire permanent du collectif euh, des associations pastorales du Niger, CAPAN. Euh, Je rappelle d'abord que votre structure fait partie de la vingtaine des regroupements pour lesquels le gouvernement a mis en place un comité ad hoc chargé d'instruire et de faire des propositions sur la question de l'accaparement des terres et la privatisation des pâturages en février 2015. Quel constat faites-vous actuellement sur l'ampleur du phénomène au Niger et quelles sont les zones que vous pensez être les plus exposées Bonjour. Euh, effectivement, je vais commencer par présenter le CAPAN qui est un collectif des associations pastorales du Niger, mhm. euh, dont l'objectif est de faire des plaidoyers, des lobbying, des formations, sensibilisation et interpeller l'État. Maintenant, pour ceux qui concernent l'accaparement des terres pastorales euh, et agricoles, il faut dire que c'est un thème sur lequel toutes les organisations pastorales œuvrent pour que cela cesse. Mhm. À un moment donné, l'État a mis un comité ad hoc composé des fonctionnaires de l'État, de la chefferie traditionnelle et des gens du ministère, en l'occurrence le SGA et autres. Mhm. Et c'est présidé par euh, le directeur de contentieux, donc DG, le DG de contentieux, Sani Arzika. Mhm. Bon, entre-temps, parallèlement, euh, le CAPAN et beaucoup d'autres associations qui œuvrent dans le domaine, justement, euh, qui, qui, œuvrent pour euh, démanteler, justement, pour faire arrêter l'accaparement des terres, ont conçu ce qu'on appelle souvent les terres pastorales, une campagne souvent les terres pastorales. Dont, en tout cas, toutes les sont dedans. Donc, quand l'État a créé le comité ad hoc, on pensait que l'État allait nous interpeller pour nous dire venez, on va rentrer dans ce comité ad hoc, ne serait-ce qu'une seule personne. Mmh. Mais il ne l'a pas fait. Il nous a juste invités individuellement, CARE, euh, International, euh, Fenendedo, pour venir exposer ce qu'ils ont comme éléments sur l'accaparement des terres. Chacun de nous est venu, mais une des questions qu'on leur posait, mais pourquoi ne pas remodifier l'arrêté pour nous impliquer dedans parce que nous, on est de la société civile. Ce que eux, vous ne pouvez pas faire, nous, on peut le faire. Hmm. Là où vous ne pouvez pas aller, nous, on peut aller. Donc, on a les informations un peu partout par rapport à ça. Bon, depuis lors, le comité ad hoc n'existe que de nom. Hmm. On a eu une seconde tentative avec le e euh, puisqu'on a eu un financement, je pense, la coopération française pour aller justement faire une étude, une diagnostic, voir ce qu'il y a d'abord comme ranch, comme accaparement de terre au, niveau, en tout cas au Niger, mais ils n'ont pas bouté, donc c'est resté stand-by. Et même demain, le vendredi plutôt, tôt, euh, la campagne Sauvant les terres pastorales aura une activité au stade général saint toujours sur l'accaparement de terre, particulièrement à Difa, pour euh, euh, essayer encore euh, à travers les médias faire un tapage pour qu'il y ait euh, pour que cela cesse. Maintenant, si je reviens par rapport aux zones pastorales, moi je dirais que l'accaparement des terres peut se diviser en deux parties. Il y a les terres pastorales, donc dans la zone pastorale qui était à 62 millions de mètres carrés, qui est actuellement à 30% seulement qui existe avec pâturage, tout le reste des 70%, c'est fait accaparer. Et il y a aussi au niveau de la zone agricole. La zone agricole, c'est les espaces pastoraux, euh, notamment le couloir de passage, les aires de pâturage, les gîtes de repos et tous ceux qui s'en suivent. Et là, les agricoles, avec la montée démographique, justement, euh, ont non seulement remonté vers la culture, vers la zone pastorale, mais aussi ils ont grignoté tout ce qu'il y a. Il y a aussi la mairie, les mairies qui n'arrivent pas à se dire que les animaux sont là. Les, euh, agriculteurs sont aussi des éleveurs, ils mm. ont beaucoup d'animaux et qu'ils doivent euh, avoir des chemins pour aller vers les aires de pâturage. Ils tombent tout, tout, tout. Vraiment, euh, l'exemple que j'ai l'habitude de donner, c'est quand vous prenez Kony pour aller jusqu'à la Boda. Il n'y a pas de couloir de passage. Les animaux sont obligés, 30 km, de suivre le goudron ou quelques abords du goudron pour aller vers Yaya, vers des zones où il y a quelques, euh, quelques, quelques espaces de pâturage. Sinon, tout est transformé en champ, tout est transformé en bâtiment. Donc là, c'est ça. Maintenant, quand on partez dans la zone pastorale, euh, ce qui est frappant, c'est qu'il y a effectivement des rentes privées qu'il y a. Sur 14 mètres, quelqu'un peut prendre son Hilux, il roule 20 km, il met une croix, il tourne, il met 20 km, ainsi de suite, et ils ont les moyens de les clôturer. Mmh. Et ça, ce phénomène, vous le voyez dans la région de Abalak, mmh. vous le voyez maintenant de plus en plus aussi dans la région de Bermou, vous le voyez dans la région de Filengue, à Ikrafan, où trois grands, moi je dirais éleveurs, hein, accaparement des terres par les éleveurs nantis. Parce que c'est des éleveurs qui ont, d'autres ont même construit. Alors que cet espace pastoral-là fait partie du domaine public de l'État. Ça n'appartient à personne. Personne. C'est-à-dire tout le monde a le même droit dans la zone-là. Si tu veux faire quelque chose, tu demandes une concession à l'État. Si l'État accepte, même si tu payes un franc, tu payes pour qu'on sache que cet espace-là ne t'appartient pas. Mais non seulement il ne paye pas les concessions, mais il voit juste les maires ou les chefs coutumiers ou autres personnes et il clôture des espaces. Aujourd'hui, si vous partez vers Agadez, vous les voyez hein, au bout du goudron. Les gens ne le cachent même pas. Il y a d'autres qui ont des écoles dedans pour leurs éleveurs. Il y a d'autres qui ont des cases de santé dedans. Il y a d'autres qui ont des forages. Et maintenant, le troisième phénomène pour finir qui est en train de venir, c'est l'accaparement des puits pastoraux. Mhm. un certain nombre d'éleveurs. Qui, depuis, qui sont dans la zone pastorale, mais un certain nombre d'éleveurs qui sont nantis s'accaparent des pour empêcher leur père de, de faire abreuver leurs animaux. Non, ou soit ils, leur vendent l'eau, et, d'ailleurs, le code a bien dit que le trou t'appartient, même si tu as l'autorisation de creuser parce que c'est ta terre d'attache, mhm. le trou t'appartient. Mais l'eau, là, c'est pour l'État. Si tu finis d'abreuver tes animaux, tu es obligé de quitter pour laisser l'autre abreuver ses animaux et, non vendre ou bien empêcher karma. Ça, c'est le troisième phénomène qu'on voit. Hein. Et les gens sont en train de faire des forages autour de la réserve de Gadebéji, et je suis sûr qu'Assadek va le dire, et qui sont là en train d'empêcher, qui ont des gros animaux, qui ont des 3000, 4000 têtes de bovins, et qui n'alimentent que, qui n'abreuvent que leurs animaux. Ils s'en foutent de ce que les autres font. Nous avons un troisième euh, invité, je vous le disais, il s'agit de Monsieur Moura Modou. Il est au niveau de la communication de l'Association pour la redynamisation de l'élevage au Niger, à euh, Rennes. Il s'agit donc euh, de Monsieur Amodou. Bonsoir, euh, merci d'avoir répondu à cette euh, invitation du studio Kalangou. Merci bien. La question qu'on vous pose finalement, alors, qui s'accapare des terres de qui, M. Monsieur Mourou Et qu'est-ce qui aggrave, vous pensez, le phénomène accaparement des terres Merci beaucoup. Donc, je représente l'Association pour la redynamisation de l'élevage au Niger qui est quand même une organisation très active mhm. en ce qui concerne euh, la sauvegarde et la protection des ressources pastorales en général et le foncier pastoral en particulier. Tout à fait. Euh, le phénomène, ceux ce qui euh, s'impliquent dedans, sont de plusieurs ordres. Mhm. Nous avons l'accaparement des terres euh, le plus frappant est celui pratiqué par les spéculateurs fonciers. Mhm. Et cela, tel que l'ont décrit mes prédécesseurs, ça se passe tant dans les zones périurbaines comme euh, Liboré, etc., que euh, dans la zone, dans la ceinture agricole du Niger au centre du pays et euh, en dernière position, la zone pastorale. Ce qui aggrave le phénomène, à mon avis, c'est l'absence de l'application de la loi. Les lois existent, euh, même si elles ne sont pas parachevées. Nous avons quand même euh, euh, un cadre institutionnel assez dynamique, assez fourni en termes de lois et de décrets d'application. Mais euh, au niveau de l'application sur le terrain, nous nous butons à des obstacles sérieux. Les obstacles sérieux euh, sont de plusieurs ordres dont nous pouvons en citer d'autres, euh, quelques-uns. le premier obstacle, c'est la, faible reconnaissance des exploitants pastoraux comme citoyen à part entière. Mhm. La citoyenneté du pasteur est remise en cause en termes des acquis, en termes d'accès aux ressources pastorales. Libre accès, j'aimerais dire. La deuxième chose, c'est les autres, les acteurs institutionnels, euh, notamment les, les, dépositaires du foncier euh, public, notamment les mairies, les collectivités territoriales et l'État lui-même. Parce que c'est eux qui, c'est à eux qu'appartient la plupart de, terres pastorales. Si je prends le cas du nouvel euh, acteur que les collectivités territoriales en zone pastorale, c'est à ces collectivités-là que revient la tâche avec les services techniques euh, notamment les services de l'élevage et les services euh, du code rural, mhm. d'infanterie et de sécuriser les espaces pastoraux. Le deuxième acteur, c'est les, collectivités territoriales, surtout les collectivités au niveau régional, euh, les conseils régionaux qui doivent aussi aider les mairies à appliquer les règles et les lois à la matière. Et le plus grand acteur se trouve être l'État, qui est le dépositaire quand même euh, de l'application, euh, j'aimerais dire l'acteur principal de l'application de la loi sur le terrain. Euh, à ce niveau, il y a lieu d'ajouter des exemples que nous avons vécu au niveau de Arène, parce qu'au niveau de Arène, nous avons été quand même l'acteur principal sinon le leader de la campagne euh, Sauvons les terres pastorales. Et nous disposons aussi d'une veille pastorale. Qu'est-ce que nous, avons, euh, nous appelons une veille pastorale C'est qu'au sein des arènes, nous avons euh, un agent ou un certain nombre d'agents qui s'occupent uniquement de la veille pastorale. À ce niveau, qu'est-ce que nous faisons Nous regardons ceux qui cherchent à avoir des titres fonciers sur les ressources pastorales et nous menons des actions euh, en direction de l'État et en direction des institutions juridiques de notre pays pour arrêter ce phénomène. Le cas du plateau de Bougoum est un cas illustratif où nous avons quand même eu à mettre la main sur euh, un accapareur euh, grâce aux actions du Code rural conjugué avec les actions de nos amis de la société civile pastorale, nous avons pu euh, euh, arrêter un monsieur qui faisait de l'accaparement de terres. Mhm. Mais là où le bas blesse, c'est que nous nous sommes butés au, au phénomène d'implication des hommes politiques en termes euh, j'aimerais dire, d'omission de droits euh, fondamentaux. Pourquoi je le dis Parce que l'État, au lieu de défendre les citoyens, à qui on a retiré la terre pour la mettre dans un système euh, spéculatif, hum. l'État s'est permis de protéger l'accapareur en question. Et autre phénomène que nous avons observé dans les régions de l'intérieur, Gender, Tawa, Agadez, et, euh, euh, Maradi, ce que, tel que l'a dit Tujani tout à l'heure, euh, l'État a pris des dispositions pour démanteler les ranches privés dans la zone pastorale, qui quand même un peu un an après l'indépendance a été avant l'indépendance et un an après l'indépendance a été consacré et comme zone pastorale, zone à, vocation uniquement pastorale, aujourd'hui les, ranches se sont installés de façon anarchique et l'État a pris les dispositions pour démanteler ces ranchs-là. Malheureusement, euh, en termes d'application, l'État n'a pas pu. Je ne dirais pas l'État n'a pas pu parce que j'ai peur de dire ce mot, parce que l'EPA quand même est le dépositaire de la force publique. L'État est, quand nous disons l'État, euh, l'État est le l'État possède la puissance publique et l'État peut arrêter un tel phénomène. Mais ce qui se passe, c'est que les accapareurs sont aussi les députés nationaux. Les accapareurs sont les ministres, qu'ils soient en activité ou des ex-ministres. Vous pensez que l'État n'arrive pas à jouer son rôle, on peut dire euh, L'État n'arrive vraiment pas à s'affirmer devant ces lobbies qui se trouvent être soit des, actuels dirigeants de l'État euh, par eux-mêmes ou par ramification, soit des anciens qui tirent les ficelles dans l'ombre. Donc l'État n'arrive pas à se départir euh, euh, de cette politique de deux poids, deux mesures. Nous allons continuer ce forum. Nous allons à présent suivre le témoignage d'un habitant de Gadbeji dans la partie septentrionale de la région de Maradi. Il s'agit de al Kabous Il est également acteur de la société civile. Il vit au quotidien ce phénomène avec euh, les éleveurs et agriculteurs de la zone. Il pense comme vous que l'État n'arrive pas à s'affirmer comme il le faut pour euh, pallier ce problème. On l'écoute. Donc, euh, Monsieur Asadek, euh, bonsoir. Bonsoir. Nous vous avons en ligne pour ce forum euh, sur l'accaparement des terres. Actuellement, que peut-on dire en ce qui concerne la situation de l'accaparement des terres au niveau de Gadbeji, c'est dans le département de Dermo donc merci beaucoup. Quand vous prenez par exemple la région de Maradi, on la partage en trois parties, on la divise en trois parties. Oui. la zone agro-pastorale au centre. Oui et la zone pastorale au nord. Mhm. Donc, euh, la zone euh, sédentaire là-bas, donc agricole, elle, elle est finie, il n'y en a plus de terres maintenant. Même les terres que les gens ont laissées euh, pour les aires de pâturage ou des petites forêts classées, elles sont envahies par des opérateurs économiques, par vraiment des champs un peu plus et ils ont donc ils ont ils en ont vraiment choisi ça. Ça tout le monde en connaît. Et même les, petits producteurs, par exemple, si vous prenez les agriculteurs, oui. il n'y a plus de petits euh, agriculteurs. Les agriculteurs ont des petites parcelles et finalement les grands opérateurs ou les grandes euh, choses euh, s'en accaparent parce qu'ils achètent cher et les autres maintenant deviennent sans terre, les petits producteurs. Parfois, ils vont même jusqu'à aller, on te donne une terre, tu la cultives et maintenant, après la récolte, on fait autre chose. Maintenant, si vous venez à l'agro-pastoral qui restait dans le temps, oui aussi maintenant, elle est complètement partie. Il n'y a plus rien. Il n'y pas un dans la, zone agro-pastorale, actuellement dans la région des maladies, où on ne va pas te dire que ça c'est pour moi. Même les aires de pâturage aussi sont menacées. Maintenant, quand on vient à la zone pastorale, elle est extrêmement menacée par plusieurs choses. D'abord, on parle de front agricole qui avance beaucoup. Parce qu'on perd les, terres là-bas au sud. Les gens viennent ici s'administrer au niveau des de chefs de tribu de chef de groupement. Tu deviens chef de tribu, tu viens maintenant, on te donne une terre dans la zone pastorale parce que tu en as perdu là-bas. Maintenant, en plus de du froid agricole, tu augmentes le désert lui-même chaque fois qu'il avance. Et plus grave aujourd'hui, les grands, comme les grands opérateurs économiques là-bas, les grands agriculteurs, il y a de grands éleveurs de l'autre côté, qui ont des milliers de bovins, des milliers de, de, ovins, donc, et aussi qui ont l'envie énorme de l'appropriation des terres chacun veut s'approprier de la terre. Avoir une terre aujourd'hui, de la même manière que les gens se sont choisis au niveau sédentaire, c'est de la même manière que le gros éleveurs aujourd'hui s'en veut à s'en accaparer de la terre dans la zone pastorale. Vous qui êtes tout le temps sur le terrain, en fait, euh, quelles sont les conséquences euh, désastreuses que subit la population par rapport à ce phénomène Les conséquences vraiment euh, un peu inquiétantes, c'est les, petits producteurs, les petits éleveurs qui vont vraiment souffrir de cette situation-là. c'est de cette même manière, si on ne fait pas attention, que ces mêmes éleveurs, ces mêmes petits éleveurs-là, seront vraiment choisis par les gros producteurs les gros producteurs ou les grands éleveurs. Est-ce qu'ils gagnent quelque chose en contrepartie Nous n'avons pas en tout cas eu euh, un dédommagement de qui que ce soit en dehors de, si c'est pas par exemple le, le, quand il faut des dégâts. à la longue, si on ne fait pas attention, ça sera autre chose. Il faut qu'on fasse un truc, un retour en arrière pour voir comment vraiment faire euh, s'approprier de ces trucs-là. Vous essayez quand même de faire vulgariser la loi en la matière en ce qui concerne l'accaparement des terres. La loi, oui, la loi, mais une loi qui, qui, qui, a, qui, bien limité la zone sédentaire, euh, la zone, euh, la zone agricole la zone euh, élevage, pastorale. Donc, on a, on, a, cette loi, mais la loi n'est pas en fonction, n'a jamais fonctionné. Donc si vous prenez encore le, truc de, de, de, gros éleveurs, ils font des forages, je ne sais pas comment ils s'en approprient. Peut-être qu'ils trouvent des, autorisations pour venir forer, parce qu'ils vont faire aussi soumettre leurs besoins d'eau et bah, par rapport au truc, ils vont aller forer ça. Mais nous, ce que nous disons, c'est de réglementer et de ne pas passer. Parce que y a, nous, ici, à notre euh, au département de Bermont, à la commission frontière, nous avons dit que personne ne doit dépasser un puits. Mais il y a des gens qui ont 5, 6, 7 et qui en valent. Ouais, c'est déjà une source de revenus vous ne constatez pas des actions effectives de l'État, des actions de l'administration en ce qui concerne les autorités présentes euh, de Gadbeji ou du département de Delmo Bon, tout, euh, parfois, euh, ces trucs-là, par exemple, si vous prenez les, forages à Rodibi. ce sont même des choses que même les autorités ici ne savent pas et même parfois ne sont pas au courant. Monsieur Kaboussa Sadek, merci. Je rappelle que vous êtes, euh, merci, vous êtes en ligne de Gadbeji, c'est dans le département de Delmo, dans le nord euh, uh-huh. de la région de Maradi. Merci pour votre témoignage. Oui, euh, Monsieur Tidjani Aruna, représentant du secrétariat permanent du Code rural. Quelle lecture faites-vous du témoignage de cet habitant et acteur de la société civile de Gadbeji et qu'en est-il réellement du code euh, qui traite de ce phénomène d'accaparement de terre Merci beaucoup. Euh, j'espère que vous avez me le temps pour bien expliquer parce que mes prédécesseurs ont tout de suite accaparé la parole. <laughs> Alors, On va aller de vraiment, façon succincte. vraiment, ce que le, témoignage, vraiment, c'est frappant. Et c'est ce qu'ils sont en train de vivre. Comme je mhm. vous ai dit que l'accaparement de terre, les conséquences sont énormes. Mhm. Nous avons d'abord, en tout cas, des paysans sans terre. Or, un paysan qui n'a pas de terre, en tout cas, c'est une migration forcée. Mhm. Nous avons en tout cas aussi ce qu'on appelle l'obstruction des couloirs de passage. Or, quand vous prenez le, pastoralisme, c'est vraiment la mobilité. Tant qu'il n'y a pas de mobilité, on ne peut pas parler de pastoralisme. Nous avons la question, en tout cas, de l'apparition des phénomènes, en tout cas, d'ouvriers agricoles. Des, paysans qui deviennent maintenant des ouvriers, en tout cas, qui n'ont pas de terre. Nous avons aussi, en tout cas, l'envahissement des ressources forestières. Alors, l'ensemble de ces conséquences-là, c'est vraiment l'insécurité, en tout cas, euh, euh, alimentaire. Mhm. Et tout de suite, là, quelqu'un a dit ça sur la table. Euh, pourquoi cela mhm. Nous avons en tout cas une loi ou des dispositifs juridiques qui ont été élaborés par l'État pour, en tout cas, freiner cet accaparement-là. Quand vous prenons, en tout cas, la loi sur l'adoption, en 2013, l'État a pu élaborer un décret pour permettre en tout cas d'inventorier toutes les ressources foncières, toutes les ressources pastorales, afin de, que l'État puisse connaître en tout cas ces ressources-là. Une fois que ces ressources-là ont été inventoriées, donc cela peut aider tout de suite. Tant qu'un investisseur vient pour dire que voilà l'espace qu'il veut, on peut savoir que c'est dans le domaine de l'État ou le domaine en tout cas de la collectivité ou le domaine des particuliers. Nous avons aussi euh, ce que nous appelons la loi 7207 qui supprime les, terres de chefferie. Aujourd'hui, il n'y a plus de terres de chefferie. Ce qui fait que si quelqu'un passe par la chefferie pour avoir une terre, c'est vraiment une violation des textes. Nous avons aussi l'existence de plusieurs documents. Toutes les transactions aujourd'hui, les commissions foncières sont en train d'aider les gens à, en tout cas, faire des papiers sur leur propre terre, afin, en tout cas, d'éviter les, conflits entre les acteurs. Donc, bref, nous avons, en tout cas, euh, euh, un dispositif juridique qui vraiment protège, euh, on appelle, les, euh, les acteurs, mais si quelqu'un a dit ici sur la table, nous avons la non-application des textes. Qu'est-ce qui fait que ce n'est pas respecté en fait Alors, qu'est-ce qui fait Nous avons, je, je veux dire, d'abord, il y a la politique. Si la, politique rentre dans la danse, si par exemple un, un privé qui va dans la zone pastorale, une zone qui est réservée uniquement au pastoralisme, pour prendre des milliers d'hectares, alors tout de suite si la loi frappe, parce que la loi dit que c'est une zone qui est imprescriptible, inanéable, et on ne peut pas donner ça à quelqu'un. Même l'État dit que euh, les aménagements, tout aménagement à agricole est interdit dans la zone. Est-ce que, que, vous, il vous arrive d'interpeller l'État par rapport à ça Bien sûr, qu'à travers les commissions foncières. Nous avons les commissions foncières qui sont en tout cas dirigées par les représentants de l'État. Quand je prends les commissions foncières départementales, là où les gens passent pour avoir en tout cas certains titres, les acteurs, en, tout cas là où ça marche, parce que la difficulté de ces commissions foncières, il y a des endroits où ce n'est pas un collège. Hum. Là où ça marche, les gens refusent en tout cas de donner ces titres-là. Là où ça marche, même si le monsieur veut chercher une concession, parce qu'on peut avoir la terre à travers des concessions. Mais tant qu'un cahier des charges n'est pas bien défini, les gens refusent de donner ces concessions. Mais, je le dis, il y a des cas où vraiment la loi est violée. Et comme je l'ai dit, c'est la politique parfois qui rentre dans, dans, ces jeux-là. Et finalement, les gens sont en train de perdre en tout cas leur terre. Merci, monsieur le secrétaire permanent du CAPAN. Euh, comment vous jugez l'attitude de l'État face à ces problèmes auxquels euh, les paysans ne cessent euh, de faire face Bon, l'État a démissionné par rapport à ce phénomène d'accaparement des terres. C'est ce qu'on constate. Mmh. L'État a mis en place le secrétariat permanent du Code rural. Ils ont tout fait pour avoir un Code rural qui a ses articles, qui a ses lois, mais on n'arrive pas à les appliquer. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'avec le Code rural, ils ont commencé à faire des formations pour faire lire le droit, ce que le code rural a dit par rapport à telle thématique mhm. et telle thématique. On espère que si on le fait au maire, au préfet et au FDS, en tout cas ceux qui sont censés gouverner au niveau local, euh, en lisant le droit, on peut tout régler. Mais malheureusement, l'État a démissionné. Et ça, on le voit déjà à partir de la création du comité ad hoc qui est né, mais qui est automatiquement décédé depuis février 2015. Voilà, c'est ça. Ça il est né en février 2015, mais je pense qu'il n'a pas dépassé le février là, hein, puisqu'il n'a rien fait. Actuellement, quel est votre niveau de mobilisation euh, afin de pouvoir amener euh, Bon, nous le notre niveau de nous, notre niveau de mobilisation, c'est de faire des forums mhm. comme celui que Arène est en train de vouloir organiser avec toute la société civile et mhm. les partenaires techniques et financiers qui œuvrent dans le domaine du sous-secteur de l'élevage on va mobiliser les gens, on va faire un tapage médiatique. Peut-être que l'État va toujours se dire que, puisque c'est ça seulement qu'on peut faire. Hein. Aujourd'hui, si l'État veut démanteler tous les ranchs, il peut le faire. Hein. Mm-hmm. Et d'ailleurs, avant de finir, je vous dis justement comment les ranchs se présentent. Mm-hmm. Aujourd'hui, si un éleveur veut aller d'un point A à un point B, s'il mettait une heure de temps pour quitter un point A pour aller à un puits, aujourd'hui, avec les ranchs, il est obligé de contourner sur 7 à 10 kilomètres. Vous comprenez Il vient, mm. il contourne toute la le ranch qui est euh, qui est gardé, hein, lourdement armé parce que c'est des gardiens qui sont armés qui sont dedans qui contournent pour aller. C'est ça. Hein. Et on en trouve beaucoup dans la zone pastorale. Ça veut dire que l'État contribue à cela, vous ah, pensez Ah, bien sûr, l'État contribue. Puisque si l'État veut enlever, l'État a tenté d'ailleurs. D'ailleurs, je pense que quand je vous dis que l'État a démissionné, c'est que l'État a tenté en créant le comité ad hoc. Mhm. Mais il n'a pas pu aller sur le terrain. Il n'y a, pas d'action. Il n'y a pas d'action concrète. Monsieur Mogamodou, au niveau de l'association pour la redynamisation de l'élevage au Niger, à Rennes, pensez-vous qu'on peut mettre fin à ce phénomène euh, et à quelles conditions euh, effectivement, on peut mettre fin à ces phénomènes. Parce que euh, nous sommes dans une république. Nous avons des institutions chargées de, de, de, l'application, de l'application de la loi. Et nous avons les instruments institutionnels qui sont les lois, et les règlements et tout ce qui existe en la matière. Donc, euh, pour mettre fin à ces phénomènes, comme ils l'ont tous dit, il faut un mouvement social sérieux. Mhm. Euh, et ce mouvement social sérieux ne peut arriver que quand les populations elles-mêmes sont organisées et conscientisées euh, pour défendre leurs droits. Mhm. Parce que nous sommes dans une logique de défense des droits. Tout de suite, euh, le monsieur du Code rural disait que la principale stratégie du pastoralisme, c'est la mobilité du bétail des personnes. Lorsqu'il y a obstruction à cette euh, mobilité, lorsqu'il y a obstacle à cette mobilité, le pastoralisme meurt de lui-même. Donc l'État étant reconnu euh, la mobilité pastorale comme un droit fondamental, l'État se doit de se donner les moyens hein, politiques, juridiques et policiers, je, me permets du terme, pour dégager ces ranchs. Et l'État, euh, euh, quelle que soit la position de la personne, mhm. en termes de pouvoir politique et de pouvoir économique, la personne demeure un citoyen. Mhm. Par conséquent, il n'a pas plus de droits que les autres. Donc, l'État doit cesser la rupture d'égalité entre les citoyens le petit producteur qui a deux vaches est égal au grand producteur qui a mille bovins ou mille têtes de chameaux. Ils sont tous des citoyens de la même République. Par conséquent, euh, ce qui manque aujourd'hui, c'est le rapport de force. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui crée le rapport de force C'est ceux qui crient à Niamey ou dans les grandes villes Maradi, Zender. Mais ce n'est pas eux seulement les citoyens qu'on doit écouter. Les autres citoyens qui font d'ailleurs un apport économique et social très, très, très important en termes de développement doivent être, doivent être aussi écoutés. Ce n'est pas parce que la majeure partie de la, de la population n'a pas été à l'école, ce n'est pas parce que 85% pratiquent l'élevage et l'agriculture qu'ils doivent être oubliés par le lobby intellectuel et économique du Niger. Merci. Ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, et ils nous gouvernent hein, par, j'aimerais pas dire par procuration, mais ils nous gouvernent par tromperie. S'ils n'arrivent pas à, rendre la, jouissance des droits humains hein, euh, effective sur le terrain, surtout en ce qui concerne les populations rurales, je me dis que c'est une tromperie politique. Par conséquent, un député, fut-il puissant, hein, fut-il de, de, la, de la mouvance présidentielle ou de l'opposition, fut-il multimilliardaire, il n'est pas plus important qu'un agriculteur ou qu'un pasteur. Je, je, vois votre, nous voyons votre euh, tristesse euh, par rapport à, ce phénomène, euh, ne serait-ce que pour le principe de redevabilité. L'État doit agir et sauver donc ces paysans, ces populations, on va dire. On va terminer avec vous, monsieur le représentant du Code rural. Que doit-on faire, vous pensez, quand on prend surtout l'aspect juridique pour arriver à bout de ce phénomène alors, vraiment, ce qu'il faut faire, c'est comme les autres ont dit, c'est d'appliquer la loi. La loi ne doit pas souffrir. Nous avons un dispositif, juridique, en tout cas très important, que les autres pays sont en train de copier pour avancer. C'est ce dispositif juridique qu'il faut appliquer. Mhm. C'est de mettre en place, en tout cas, des moyens pour faire fonctionner ces commissions foncières, dans lesquelles se trouvent les autorités coutumières, les autorités administratives, afin, en tout cas, de protéger le, petit producteur. Et comme je l'ai dit, nous avons des mécanismes pour accéder à la terre. Que ce soit le grand producteur ou le petit producteur, tous ces mécanismes sont là. Alors il faut appliquer la loi, il faut que force reste à la loi pour que les choses puissent avancer. Voilà, en tout cas, Monsieur le secrétaire permanent du CAPAN, euh, un mot pour terminer. Hein. Voilà, le mot pour un terminer. Appel, euh, si vous voulez. Vraiment, euh, l'appel, c'est à l'égard de l'État, mhm. c'est de faire tout pour appliquer ce que le Code général a dit. En ce moment, il ne va pas souffrir et nous autres, nous n'allons pas souffrir. Et à l'égard des euh, des sociétés, de la société civile que nous sommes, euh, c'est de nous organiser davantage parce que, autour de l'accaparement des terres. Parce que pour le moment, on organise des, forums, mais je pense qu'en nous organisant à la base, en organisant euh, autour d'un intérêt qui est l'accaparement des terres, le démantèlement des. Je pense qu'on peut effectivement. mais avec l'aide de l'État, on peut effectivement arriver au démantèlement et à sauver le peu qui reste de la zone pastorale, puisque c'est le peu, hein, parce que 70% sont déjà partis. Vous partagez ce point de vue, M. Mogamodou Oui, effectivement, je pense que eh, l'organisation de la société civile est très importante, surtout si les gens ont le même objectif euh, d'aider les citoyens nigériens à jouir de leurs droits et sur leur territoire. Maintenant, en plus de cela, je pense que c'est un devoir de l'État de garantir un emploi à tout citoyen. Mhm. Et lorsque un producteur rural euh, perd l'accès aux, ressources euh, foncières, je crois que c'est la première perte de son emploi. Et puisque c'est l'activité à lui-même euh, qui se retrouve, la profession en elle-même qui, qui, se retrouve n'est pas être possible en termes de praticabilité. Maintenant, les dispositifs. Moi, je pense qu'il faut compléter le dispositif. Et il faut que les acteurs acceptent à tous les niveaux d'appliquer la loi. Et quand je dis les acteurs, ce n'est pas le code rural seulement, ce n'est pas les collectivités seulement qui, doivent euh, appliquer la loi. Il faut aussi que les institutions hein, de l'État qui s'occupent de la justice tout court puissent s'impliquer, mhm. notamment les juridictions. Quand quelqu'un s'accapare d'une terre et qu'on porte plainte, vraiment les, juges mhm. se doivent d'appliquer la loi. Et pour appliquer la loi, j'invite les juges et les corps des magistrats à bien s'imprégner des lois à la matière et de les appliquer et en, conséquence et sans faiblesse aucune. Aujourd'hui, nous avons des institutions sur lesquelles vraiment on peut compter si ces institutions-là sont décidées à le faire a commencé par l'Assemblée nationale qui vote les lois, le gouvernement et la, justice. si ceux-là se décident d'appliquer la loi, je pense qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut la refuser. et je terminerai par dire qu'il faut aussi qu'on mette les moyens pour les agents de l'État pour qu'ils puissent effectivement faire leur travail et qu'eux soient aussi de bonne foi. Merci, M. Monsieur De l'arène. il y a le représentant du Code euh, rural qui aimerait ajouter un mot. nous vous donnons juste une poignée de secondes pour terminer. Mm-hmm. Actuellement, nous sommes en train d'organiser en tout cas les états généraux du foncier, ou en tout cas toutes ces questions d'accaparement qui sont prévues pour sont, En tout cas, on a mis en place un comité mhm. qui va en tout cas travailler afin de voir comment est-ce qu'il faut organiser ces états généraux du foncier. Et nous pensons qu'il y aura un grand portage parce que ça va être en tout cas euh, au niveau de la présence de la République pour pouvoir mettre en tout cas en œuvre toute les, juridictions qui, sont dans le code rural. Fidèles auditeurs du studio Kalangu, ce forum sur la question de l'accaparement des terres et à son terme, nous étions en compagnie de Tigani Haruna. Il est membre du secrétariat permanent du code rural de Tidjani Alou Aboubouker, secrétaire permanent du collectif des associations pastorales du Niger, CAPAN, de Mogamodou, communicateur au niveau de l'association pour la redynamisation de l'élevage au Niger, Rennes, ainsi que de M. Kaboussa Sadek que nous avions joint par téléphone depuis Gadbeji dans la région de Maradi, nord On Retient que la question de l'accaparement des terres aggrave la rareté des superficies cultivables et la diminution conséquente des espaces pastoraux nous avons de plus en plus de paysans sans terre, comme l'a dit le représentant du Code rural, et l'État a malheureusement démissionné, estime le secrétaire permanent du Code rural. Il y a donc lieu d'agir et de vite agir de façon urgente. Nous allons donc euh, terminer cette euh, émission vous aviez au micro Michel Degi à la réalisation, Boubouker Diallo à la technique, Hassan Tawé. Merci d'avoir été des nôtres. Merci de votre fidélité au programme du studio Kalangu. À demain, 18h15 pour un autre forum du studio Kalangu. Au